plaisir de vous retrouver, chers auditeurs du studio Kalangu. Nous sommes jeudi 5 octobre 2023 et vous êtes en compagnie de Fanta Chamsou et Ruketu Abdurrahman. Bonjour Rukaya. Bonjour Fanta, bonjour fidèles auditeurs au programme d'aujourd'hui. D'abord le flash d'information, la rubrique écho des régions de la culture linguistique. Et ce n'est pas tout. Le Niger sur Kalangu, c'est aussi des entretiens avec des invités des marques sur diverses thématiques. Ce matin, nous sommes avec Abdoulaye Segda, plus connu sous le pseudonyme de Tingiri Lompo. Vous l'aurez compris, c'est l'ambassadeur de la paix. Vous, vous, suivrez également la chronique Loti préparée par l'équipe femme de la rédaction et la page sport. L'édition est assurée par Adam Adouaki et Kadija Isaka et la technique par Mustafa Ayouba. Fidèles auditeurs, sans plus tarder, voici le flash d'informations présenté aujourd'hui par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour Rokayatou Abdraman, bonjour Fanta Chamsou. Bonjour Mokhtar. Le, flash d'information à présent, les activités de la quatrième édition du mois d'octobre, mois consommé local couplé au septième salon professionnel 100% Made in Niger ont été lancées hier 4 octobre au Centre international de Conférence Mahatma Gandhi de Niamey sous le thème accès aux équipements de qualité pour l'émergence de l'industrie au Niger. Cette année, c'est la zone du Kawar, Bilma, Djado, Fachi et Dirkou de la région d'Agadez qui est à l'honneur. Les richesses naturelles, et culturelles de la localité sont exposées et des panels sont prévus ainsi que plusieurs autres activités, notamment des ateliers de formation, des expositions et ventes, concours national Innove Act et remise de prix. La représentation américaine au Niger a, dans un communiqué publié hier mercredi, honoré la mémoire des huit soldats tombés à l'occasion du sixième anniversaire de l'attaque de Tongo Tongo le 4 octobre 2017. Pour rappel, il y a six ans, quatre militaires nigériens et quatre autres américains perdaient la vie dans une embuscade près de Tongo Tongo. Ainsi, l'ambassade honore leur sacrifice, exprimant sa plus profonde sympathie à leurs familles, amis et communautés. Dans un communiqué publié hier mercredi, la Fédération internationale de football FIFA a annoncé que les confédérations européennes, américaines et sud-américaines venaient de s'accorder autour d'une candidature unique pour le mondial 2030. Euh, présenté par le Maroc, l'Espagne et le Portugal avec trois matchs en Amérique du Sud. Ces trois pays sud-américains sont l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay, indique la même source. Et c'est tout euh, pour le flash d'information de ce jeudi 5 octobre 2023. Merci, merci Mokhtar et très bonne journée à vous. Merci à vous. Comme annoncé, fidèles auditeurs, notre invité du jour est Dingiri Lampo. Il est de son vrai nom Abdoulaye Sekda. Il est plus connu sous sa casquette de comédien et ambassadeur de la paix. Bonjour Dingiri Lampo. Oui, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de même. Bonjour Abdoulaye. Donc, euh, avant d'entrer dans le vif de notre discussion, nous allons d'abord partir en musique. Écoutons ensemble l'un de vos titres. Il s'agit de Tabastaka. dare wasan to ba

auditeurs, c'était Tabasteka de jingiri Lampo dont nous avons la chance d'avoir aujourd'hui en direct dans ce studio. Alors, euh, Abdoulaye, dites-nous, cette chanson qui parle de la parenté à, la, plaisanterie, pardon, qui est d'ailleurs l'une des plus grandes forces de la culture nigérienne, ça vous rappelle quoi Bon, euh, pour commencer d'abord, euh, je vous remercie de m'avoir invité ici au studio Kalangu je remercie tous les personnels du studio Kalangu. D'accord. Donc, le cousinage, au fait, euh, à plaisanterie, mhm. c'est un ciment de paix. Moi, j'appelle ça une arme. Mais une arme destructrice de guerre. Pendant que la guerre détruit tout sur son passage, le cousinage à plaisanterie est une arme qui détruit, au fait, une arme qui détruit la guerre pour restaurer la paix. Parce qu'en Afrique, quand on parle de, de l'Afrique, déjà le côté euh, ethnique intervient. Donc euh, c'est un côté très important, vraiment et très considéré. Donc euh, la plupart des conflits en Afrique sont ethniques. Donc le cousinage est là pour mettre terme à tout ça. Mhm. Par exemple, les, les, les, les conflits raciaux, ethniques, religieux, et les conflits entre cultivateurs et éleveurs. C'est toujours autour de ça. Mhm. Donc, le cousinage est là pour mettre fin à tout ça parce que quand tu sais que c'est ton cousin, tu ne vas jamais lui vouloir du mal. Mhm. Voilà. Donc c'est pourquoi vous avez fait de ça votre arme de combat. Arme de combat, effectivement. On va en parler, mais avant, son parcours nous intéresse, n'est-ce pas, Voilà, mm. votre parcours, ça nous intéresse beaucoup. OK. Donc on va aller un peu dans le passé. Mm. Nous savons très bien que vous faisiez du rap, c'est ça mm. Vous pouvez nous raconter un peu l'époque là euh, Moi, j'ai commencé ma carrière apologique artistique en un mot et en 2000. Mhm. Donc euh, de 2000 à 2007, à l'époque d'abord, j'ai commencé par euh, quelques un single, deux singles. Et ce qui est plus important, moi, je, je me suis intégré au rap pour passer des messages. Mhm. Pas pour, je sais pas, plaire ou, euh, je sais pas, cartonner. Bon, chacun a un objectif quand il s'introduit dans. En tout cas, je vous rappelle de l'un de vos sons, c'était euh, sur la corruption. Sur la corruption, les détournements, Et puis, je chante aussi. et mm. voilà nyamo là je passe aussi des messages vous voyez tout est message mm-hmm, mm-hmm. Mhm, tout est message tout est conseil voilà, parce que moi, c'est comme ça je, je, prends les choses. Je comprends la musique. Un artiste doit toujours être un messager, un ambassadeur. Engagé, en Oui, il est un représentant. Bon, qu'il chante euh, conseil ou pas, il est quand même un ambassadeur parce que partout où il va, il représente tout son pays. Mhm. Donc, vous voyez, voilà pourquoi moi je me suis dit, pour euh, être artiste ne veut pas dire... Euh, chanter pour plaire, mais chanter pour passer un message, passer un message et aider son pays à aller loin. Voilà, mais euh, comment est-ce que vous êtes arrivé de la musique à là où vous êtes là Oui, de la musique à l'humour, quand j'ai euh, chanté, euh, j'étais rappeur comme je vous l'ai dit, donc de 2000 à 2007. Après, en 2008 d'abord, j'ai décroché le prix du meilleur rappeur 2008 au festival Move Art à Tilaberi, mm. organisé par la coopération française. Donc là, c'est entre 2008 2009, un an de silence, la, population a remarqué ce silence-là pendant un an. Mm-hmm. Un an pendant euh, lequel j'ai effectué une tournée et dans 52 villages pour mener des recherches sur la culture. Là, c'est la préparation d'une troupe intitulée Les Cousins du Niger. Mhm. Mhm. Déjà, là, parce que j'ai remarqué qu'il faut vraiment euh, aller dans ce sens encore, parce que avec le rap, je n'arrivais pas à atteindre l'objectif. Mhm. Mhm. Il y a la jeunesse, oui, la génération qui m'adorait. Mhm. Mais c'est. Bon, chacun a un objectif. Moi, ce n'est pas ce que j'attendais. Mhm. Voilà. Et ma cible, c'est les aînés. Parce que c'est eux qui commandent. C'est eux qui détiennent tout. Donc, il faut vraiment sensibiliser pour que beaucoup de choses euh, positives passent. Et les enfants vous adorent aussi. Donc, du coup, avant que les enfants interviennent, c'était ça l'idée. Mm-hmm. C'était la cible, c'est les aînés, ce ne sont pas les enfants. Mm-hmm. Donc, c'était après, voilà, que je, après la troupe Les Cousins du Niger, j'ai constaté que, bon, avec la jeunesse, on, parce qu'il faut forcément une troupe, quoi. Il faut un nombre de jeunes pour, pour, pour des pièces théâtrales. Mm-hmm. Bon, donc, on ne partageait pas les mêmes objectifs. Voilà, donc, euh, l'équipe fut banqueroute. Là, on a les gens qui quittaient, un à un, chacun attendait le gombo sur place, voilà, le <laughs> dieu, quoi. Voilà, l'agent en même temps. Donc voilà, très malheureusement, bon, après, je me suis dit, mais c'est une mission que je me suis donnée d'être mhm. utile pour mon pays, pour le continent africain, mhm. de promouvoir la paix. Voilà, on aimerait bien savoir ce déguisement, vous l'avez intégré, à quel moment ça fait partie intégrante de votre personnalité. Euh, parce que beaucoup de gens ne sauraient vous reconnaître quand ils vous voient sans le déguisement. Mhm. Effectivement, c'est là que l'inspiration m'est venue. Comme la jeunesse, on ne partage pas les mêmes visions. Voilà, chacun veut Gombo rapidement devenir riche quoi. <laughs> C'est pas les mêmes visions. Donc quand on partage pas les mêmes visions, on ne peut pas marcher ensemble. Là après, euh, comme tout le monde est parti, après euh, j'ai réformé encore d'autres 33 personnes eh, oui, d'autres 33 d'autres 11 personnes, autant pour moi. Mhm. Parce que c'est 3 fois 11 personnes, 11 personnes, ça fait 33. Je me suis dit, mais attends, si je ne fais pas attention, je risquerai de recruter <laughs> tous les jeunes du quartier. Là. Donc là, voilà là où l'inspiration m'est venue de créer ce concept d'Ingri Lompo pour continuer le combat seul. On va en reparler, mais d'abord un autre tour en musique avant de continuer cette fois-ci avec euh, Mama Africa de Jingri Lompo.

continent d'amour culture. Eh, suke mama, suke. Mama Africa, better show the money. Suke mama, suke. Ah we oh, ah we oh, ah we oh, ah we oh. No we want to harmonie the la joie et la gaieté. Et toi Mama Africa, belle jour de Vive l'Africa. Burkina, Côte d'Ivoire, Mali, Togo. Congo, Sénégal, Éthiopie, Nigeria. Afrique, continent d'amour et de culture. Afrique, continent d'amour et de culture. Suki mama, suki. Mama, Africa, belle solo de Mali. Suki mama, suki. Afrique, continent d'amour et de culture. Suki mama, suki. Mama, Africa, belle solo de Mali. Suki mama, suki. Afrique, continent merveilleux et magnifique. Bannissons la guerre et faisons Are we yo? Are we yo? Are we yo? Are we yo? Africa kamba, you yikiya tinataba, tizemse taba wakatan taba. Why? No, we want to Nous vivons tous en harmonie dans la joie up to the Maman Africa, but it's all the humanity. Niger, Burkina, Côte d'Ivoire, Mali, Togo, Benin, Guinée. Ah, ok. Ok. Afrique, continent d'amour et de culture. Africaine d'amour et de culture. Jouke mama, jouke mama, Africa belle show de l'humanité. Jouke mama, jouke. Afrique, continent d'amour et de culture. Jouke mama, jouke. Mama, Africa belle show de l'humanité. Jouke mama, jouke. Jouke mama, jouke. Vive l'Afrique! Jouke mama, jouke. Vive auditeurs, si vous venez de nous capter, vous êtes à l'écoute de votre émission Le Niger sur Kalangou à travers nos radios partenaires et en streaming sur le site www.studiokalangou.org. Nous sommes avec Abdoulaye Sekda, alias Dingiri Lampo. Il est artiste, comédien et ambassadeur de la paix. Alors, Abdoulaye, mm. vous organisez une caravane de solidarité et on peut savoir quel est l'objectif de cette tournée oui, c'est une caravane de sensibilisation dont le thème est civisme et patriotisme. Mm-hmm. Bon, après euh, ma tournée européenne et africaine, voilà, je d'ailleurs euh, l'événement, c'est j'ai constaté l'événement qui s'est du 26 mercredi 26 juillet m'a trouvé déjà en Égypte où j'ai fait 12 euh, pays Mhm. dans neuf pays d'Europe et, trois pays d'Afrique. Et euh, c'était en Égypte. Euh, la destination euh, finale de la, de la tournée. Mhm. Là où j'ai décroché mon 23e trophée d'ambassadeur de la paix mhm. en Afrique et dans le monde et au Niger en particulier. Donc je remercie les nouvelles autorités de, de m'avoir euh, réussi euh, à bras ouverts et me soutenir euh, vraiment dans cette initiative mhm. qui est aussi noble. donc la caravane, c'est là que je me suis dit, mais d'après mes tournées, j'ai quand même connu 24 pays dans mhm. le monde. Mhm. J'ai voyagé sur 24 pays. Ce que j'ai constaté ici, euh, on nous considère des plus pauvres du monde, mais en réalité, ce n'est pas du tout vrai. Mm-hmm. On n'a pas plus de quatre pays qui sont devant nous en ressources minières. Mm-hmm. Donc, je ne peux pas comprendre que nous soyons derniers. Ce n'est pas du tout vrai. Donc, quelque chose ne va pas là. Mm-hmm. C'est là que j'ai constaté que nous, nous sommes assis sur de, l'or. Nous sommes assis sur un trésor, mais la plupart de, la population meurent dans la pauvreté, hmm. qui n'est pas du tout normal. Revenons Là, à... il dit c'est de cette c'est mhm. ça qui a donné naissance au fait à, la, caravane. voilà, c'est ça qui a mhm. donné naissance à la caravane. Donc, je mhm. me suis mis de côté à réfléchir. J'ai constaté que nous avons tout, mais le problème, c'est que on a un grand problème qui est ce manque de civisme et de patriotisme. C'est d'abord à partir de là que ce soit nos autorités, que ce soit au niveau de la population, nous sommes tous impliqués dedans. Mhm. On a tous ce manque de civisme. Hein. Mhm. À quoi consiste euh, le civisme La, caravane, c'est ça. Et, j'ai initié ça. Mhm. Donc vraiment, je remercie les nouvelles autorités aussi qui m'ont soutenu matériellement en tout et pour que la caravane se passe très bien. Et nous sommes accompagnés de, des médias et tout, tout. Vraiment, la caravane c'est le civisme et le patriotisme. Il faut d'abord sensibiliser les gens. Donc j'ai décidé de faire 136 quartiers de Niamey mhm. et rencontrer dans chaque quartier le chef du quartier ou du village. Voilà, parce mhm. qu'on a 136 quartiers et villages. Mhm. Donc, euh, soit je rencontre mon équipe et moi, les, les, chefs traditionnels, religieux, coutumiers et les chefs des quartiers et des villages qui nous accueillent vraiment à bras ouverts et ils nous mobilisent toute leur population. Mhm. Donc, pour passer ces messages, de un, on parle de l'éducation. Euh, d'abord, on parle de l'éducation sociale. À part l'éducation école, voilà, il faut d'abord éduquer, éduquer l'enfant dès à bas âge. Mhm. Qu'est-ce qu'il faut faire C'est quoi ton pays Il faut te battre pour ton pays positivement. Mhm. Il faut savoir faire ceci, il faut éviter cela. Ton pays, est primordial. Donc, c'est des échanges. oui, c'est des échanges mhm. avec les, populations. Mhm. Donc, euh, on a parlé deuxièmement du, du, chômage des jeunes qui est un grand danger, mhm. un grand danger social. J'ai eu à leur poser des questions. Pourquoi la plupart de la jeunesse ne travaille pas On dit qu'il n'y a pas du boulot. Et là, on les sensibilise à comprendre qu'il faut éviter le chômage. Parce que quand on chôme, on est inutile même pour son pays. Mhm. On ne peut même pas subvenir à ses propres besoins, à plus forte raison aider mhm. son prochain ou faire avancer son pays. Mhm. Donc on a parlé donc de la création de l'emploi. Dingiri, on aurait bien aimé aller au-delà de tout ça, mais le temps est contre nous. nous allons vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. <laughs> D'accord. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Et maintenant, nous allons plonger dans l'univers de la technologie en célébrant un géant qui a marqué le monde numérique. Nous sommes avec Ousmane Mamoudou, le responsable du desk numérique de la rédaction, pour nous édifier sur le sujet. Bonjour Ousmane. Bonjour Fanta. Alors, Google vient de fêter son 25e anniversaire la semaine dernière. Ousmane, peux-tu nous en dire plus sur cette histoire fascinante alors oui, donc c'était la semaine passée, Google euh, a fêté son 25e anniversaire, donc le 27 septembre. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi ils choisissent cette date-là, parce que <laughs> jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas exactement si Google effectivement a vu le jour M 27 septembre. Mais donc c'est une entreprise qui a été fondée par Sergey Brin et Larry Page. Donc l'entreprise a débuté comme euh, un moteur de recherche en 1998 mais elle a rapidement évolué pour devenir un acteur majeur dans le monde numérique. Mais Ousmane, c'est incroyable de voir comment Google a évolué au fil des ans. Peux-tu nous donner quelques-unes des étapes clés de cette évolution alors oui, absolument. Donc c'est en 98 que Google a été créé dans un garage à Menlo Park. Donc c'est aux États-Unis. Donc l'entreprise effectivement a révolutionné la recherche en ligne en mettant l'accent sur euh, la pertinence des liens, ce qui a jeté les bases du SEO. Donc le SEO, pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas, c'est le Search Engine Optimization. Toutes les personnes qui vont de la rédaction en ligne, qui rédigent des articles en ligne, euh, s'y connaissent un peu et ceux qui font aussi de la publicité. Donc en 2000, Google s'est internationalisé en offrant des services euh, en français et dans d'autres langues. En 2021, on a vu Google Images qui est né. Donc désormais, en faisant des recherches, Google était capable euh, mhm. d'indexer euh, des images dans les résultats de recherche. Mais euh, qu'est-ce qui s'est passé après cela Alors, les années suivantes ont vu la diversification de Google avec le lancement de Gmail. Donc Gmail, c'est la boîte mail, quelque part l'équivalent de Yahoo, pour ceux qui ne connaissent pas. Et l'acquisition d'Android, donc qui permet de gérer tous nos téléphones, de Google Maps aussi et de YouTube. Donc Google est devenu un écosystème de produits et de services de premier plan. D'ailleurs, en 2015, il a été restructuré en tant que filiale d'Alphabet pour mieux gérer ses activités diversifiées. Donc Google aujourd'hui appartient à une grosse boîte euh, qui s'appelle Alphabet. Hmm. Donc euh, Google a aussi eu un impact énorme sur nos vies. Ousmane, parle-nous un peu de quelques signes de sa force. Et, eh, certainement, Rukia. Euh, donc Google est devenu omniprésent dans nos vies euh, au point que des expressions comme firme de Mountain View ont vu le jour où le verbe euh, googler. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait ses recherches dit ah, Je vais aller googler ce mot-là pour voir ce que ça donne. Mhm. Et n'oublions pas que le métier de YouTuber, donc toutes les personnes aujourd'hui qui gagnent de l'argent en faisant des vidéos, est né de la plateforme de YouTube détenue par Google. Donc, ça, ça témoigne quand même de l'influence durable de cette entreprise-là dans le monde. En tout cas, c'est incroyable de voir comment Google a laissé son empreinte sur notre langage et nos habitudes. Mais il y a aussi des critiques, n'est-ce pas, Ousmane Oui, Google n'a pas été à l'abri de critiques. On lui reproche beaucoup de choses, des préoccupations liées à la confidentialité notamment des données qu'on laisse traîner sur euh, Internet. Parce qu'aujourd'hui, le souci, c'est que presque tous les outils qu'on utilise s'appuient sur Google, que ce soit le mailing, etc. Donc des accusations d'abus de positionnement dominante et des projets prometteurs qui ont échoué. Donc il, Google a aussi essayé de développer plusieurs activités qui ont échoué par la suite. Donc euh, la, la, célèbre devise d'abord, d'ailleurs, pour ceux qui ont l'habitude, en tout cas pour ceux qui suivent euh, un, peu l'actualité de Google, il était affiché dans le locaux de Google cette fameuse phrase-là, Don't be evil. ça veut dire donc en français, ne pas être malfaisant. Mais malheureusement, cette phrase-là, elle a disparu en 2018 des locaux de Google donc euh, c'était un code de conduite euh, qui, faisait un peu euh, office de loi au niveau de Google, mais qui n'est plus d'actualité. Mm. C'est un aspect important à considérer, surtout compte tenu de la quantité des données que Google traite. Et maintenant, que nous réserve l'avenir euh, rookies, euh, Google se tourne désormais vers l'intelligence artificielle pour ceux qui suivent encore une fois l'actualité, les chats GPT, les midi-journées, etc. Donc le PDG de Google, Sandor Pichai, a annoncé que l'IA serait au cœur de leur mission au cours des prochaines années. Donc Google Bard, qui est l'intelligence artificielle de Google, un peu l'équivalent de chat GPT, est un agent conversationnel euh, basé sur l'IA. C'est l'une des dernières innovations que nous pouvons attendre de la part de Google. Merci beaucoup Ousmane pour toutes euh, ces informations sur Google et son histoire. Fidèles auditeurs, euh, oui Ousmane. <laughs> Alors je fais ma conclusion. donc c'est effectivement un hein. Géant qui a réellement façonné le monde et qui continue encore une fois de nous influencer. Et donc pour moi ça fait à la semaine prochaine pour une autre chronique. Je pensais que euh. c'était <laughs> déjà donc, euh, donc, fidèles auditeurs, après la rubrique hebdo, nous allons repartir en musique pour retrouver les jeunes filles de Iliga Dad avec le titre Jolie, c'est ça Jolie. Jolie. Jolie. Ce groupe est composé de trois jeunes dames Fatou Seydi Gali, Alamnou Akirwini, Nasir et Fitimata Al-Medelher. J'espère que j'ai bien prononcé. <laughs> et aussi un jeune homme, Abdoulaye Madassan, à la guitare rythmique. Le nom du groupe renvoie à leur village d'origine, Iligadad, un village situé dans la région d'Ottawa. Fatou Seydi Gali, la meneuse du groupe, a commencé jeune à jouer de la guitare traditionnelle Ingoni Ngoni, je pense bien. Avant d'adopter la guitare, elle, elle a constitué ce groupe qui s'est tout d'abord produit pour des événements familiaux avant d'enregistrer un album. Leur composition associe le blues, le quoi le folk, le folk et les musiques traditionnelles. Ces jeunes filles se produisent sur les scènes européennes et américaines. Après cette euh, mélodie touareg, euh, on passe à l'écho des régions. Oui, à l'instar des autres régions du Niger, la région d'Ottawa aussi fait face à des problèmes des femmes fustules. Ces femmes, dont la plupart abandonnées par leurs proches, méritent d'être soutenues moralement. Raison pour laquelle le Centre de la mère et de l'enfant de Tawa a cherché des partenaires pour accompagner ces femmes en les apprenant des métiers. Le reportage est signé Abdoulaye Aoussouk. Le centre de la mère et de l'enfant de Tawa accueille des femmes qui souffrent de fustules pour leur prise en charge. Même après guérison, Beaucoup d'entre elles sont victimes de discrimination ou maltraitées par leurs proches. C'est pourquoi le centre, à travers les partenaires, accompagne ces femmes pour devenir autonomes. To yanzu ka gani mun samu tallafi Allah ya taimaka mana mun samu lahiya. Muna son mu samu kasuwanci abin da za mu yi dogaro ga kanmu mu taimaka ma kanmu kuma mu taimaka ma wasu na baya gare mu. Kaga kamar nan likitar da muke cikin madannin mu sun tallafa mana sun ɗoki nauyin mu sosai. Kuma sannan yanzu mun samu gatan matasa shi ma ya shigo yana ba mu tallafi sosai ya kawo tashi mu. An nuna mana sabuni kuma za a gwada mana turaruka da man shayi kuma har da teloli ya an ce in muna so za a koya mana. To wata na hudu cikin likita ga mm, amma yanzu jiki alhamdulillah lokacin da na shigo yana zubuwa sosai amma yanzu da dama mun samu kula sosai daga gare su. Shekara bakwai ga larura ta samu yanzu kuma an gode mu Allah. Allah muna sa a koya mana muna son mu ci gaba Ni ka gare nan ba mu tiya ko ina muna nan ga muna son mu ci gaba. Le médecin chef du centre s'est dit satisfait de l'intervention des partenaires pour soutenir les femmes dans leur vie nouvelle pour qu'au sortie du centre elles puisse se retrouver et être indépendante. Vraiment, on attendait cette occasion-là parce que je pense que ça fait déjà quelques années, ils ont des appareils pour des coutures, mais ils ne parviennent pas à les utiliser. Et, cette fois-ci, aujourd'hui, Gatamatassa est venu vraiment avec force. Bien que c'est Gatamatassa aussi qui les a fournis, ces, ces machines à coudre-là qui étaient là. Mais cette fois-ci, elles vont commencer à les utiliser, Inch'Allah, parce qu'on va apprendre à celles qui veulent comment faire une couture, comment coudre. En tout cas, elles vont apprendre pendant un mois, deux mois, trois mois, ça dépend. Et à part ça aussi, on vient de les apprendre comment faire du savon. Et on les a montré aussi les matériaux qu'il faut utiliser pour faire le savon localement. Et elles ont vu le savon, c'est très bien aussi. Il y a déjà deux, trois ou quatre, en tout cas, et beaucoup sont portés volontaires pour rester même. D'autres vont partir et revenir pour apprendre vraiment. Parce que, en tout cas, elles sont, beaucoup sont engagées pour apprendre vraiment un métier. Et parce qu'elles ont compris que maintenant la vie c'est comme ça. La femme aussi doit apprendre quelque chose et de son intérêt aussi. Malgré les nombreuses sensibilisations au Niger, on continue d'enregistrer des cas de fistules obstétricales et les victimes sont souvent stigmatisées. Vous l'aurez compris, fidèles auditeurs, c'est un reportage rendu au studio par Salam Kadri. Et c'est le moment de retrouver notre chroniqueur sportif Hassoumi Gourouza. Bonjour Hassoumi. Bonjour Ruki, Bonjour Fanta. Bonjour Gourouza. Ah, bonjour. Gourouza, pour débuter cette page, parlons du transfert du capitaine du MENA à Prime en Irak. Oui, Ruki, euh, Burema Katakori, c'est ça son nom. Et depuis lundi 2 octobre 2023, sociétaire du club Al-Mina Sport Club de Bassora, pas Bassora euh, de du, Niger, Bassora <laughs> en, Irak, pour un contrat d'un an. Et on voudrait bien savoir plus sur ces clubs qui Bassora de l'Irak. Oui, Al-Mina est un vieux club irakien de football fondé depuis 1931 et qui est basé dans la ville de Bassora. L'équipe de football Al-Mina a été une seule fois champion d'Irak et c'était lors de la saison 1977-78. Espérons que l'arrivée de notre compatriote Brema Blay dans ce club va permettre à cette équipe de prendre la tête du championnat irakien de football. Ah, Hasmila, c'est très prétentieux. Hein. <laughs> <laughs> alors, alors, outre catégorie, plusieurs footballeurs nigériens se retrouvent en Irak. Oui, euh, Ruki Abdoulaye Brema retrouve ainsi ses compatriotes Karim Doudou, Ismaël Isaka, sociétaire de Al-Diwania, Boubacar Goumé, Besto de Zako SC et Majid Boubacar du club euh, Sorta d'Irak. Katakore a fait ses débuts d'ailleurs au Zumunta avant de se retrouver à l'AS Nigelec de Niamey et de l'AS Douane son dernier club d'ailleurs. Il fait partie des pivots de la défense du MENA national. Dans un entretien accordé à l'agence nigérienne de presse ANP depuis l'Irak, Brema Blay a souligné que la tâche ne sera pas facile car le championnat des deux pays diffère et a conclu que seulement le travail euh, pays. Et il va mouiller le maillot afin de relever le défi. Bonne chance à lui. Merci. Merci Azumi. Merci beaucoup. Alors, euh, nous allons passer au portrait. Nous allons faire lumière sur une dame âgée de 56 ans. Elle, c'est Madame Aïssa Idrissa, plus connue sous le nom de AI et hygiéniste à l'hôpital du, district, sanitaire de Terra. Au-delà de sa profession, elle est une cantatrice dans la, la troupe Samaria de la ville un rôle qui lui a été imposé par les autorités d'antan, mais au fil des années, c'est devenu une passion pour elle. Âgée de 56 ans, Madame Haïssa Idrissa, plus connue sous le nom de AI, est hygiéniste à l'hôpital du district sanitaire de Tira.

im koy kirke ki miye katira ina se walla halir man kai e girba be duwari nyonge dabu e wayne kaydi konda kada kasgarora ate semen fonodin nga no soja koy nyame akoy kai di akata hay nga ni du kai e kai wota no kana kai hursa mariya rawo amma kir kokor kayo ir makani ara zamir koy labuwani tura ut kunci gir invite ir koy

ba ine ke kune a agane sai su koy emna se gune bai kan di hay da non ne yi jola watin ga nun mor ha im koy ke won samariya do di adi idda dik tek dik tek dik tadi kalwa ko korbanda adi kan ibungu tangse ani ta hino ke gokko zan hu samara igine ni ya woy kurno woy ku tare bine ka dedu bora bano bora ta woy kuru da mi da donc inda albore ni go kan inda ni go kaya kutte bo kulman be kun kala hasaro ce kin kala se kalbore fakarin farha aujourd'hui Heissa Idrissa a à son actif plusieurs chansons de ballet qui ont remporté des prix, ce qui l'a d'ailleurs motivé à redoubler d'efforts. En 82, a avons yumban ak des irwon bala mono ka premier. Itte yumban, lemru, lamru, itte kafoma, itte tindano, itte charambata. Yumba wa amana no to koi goro harga. goor fogono kan signe yumban ngwan dono nirsam kirkakte balewo Lemru, de foma Ali Abdou connu sous le nom d'Ali Dagado est planton à la mairie de Tera et est l'actuel président de la troupe Samaria de Tera. Ali Abdou, connu sous le nom d'Ali Dagado, nous parle de l'apport de Haïssa Idrissa pour le développement de leur troupe. culture actrice aga lele bu ngon jingbore apre ate don ko nongu bale wono sangi sum trupo na terawo bumo bugo amanga fata tulgano terawo amanga fata kanan niger labo jerjera mena ndube également la troupe samaria a beaucoup apporté à la vie de ses membres indique la cantatrice car les samaria sont des vecteurs de paix et de cohésion sociale samaria gonnafa zamu samariya unungu norda borem cer margu in fakar in farha banu tun koy knar bora kwarara dizan den nod marar no do dosuno dun koy zine ni asmare isuno igun kubeni matu bukul kan samare izuno kuli sabiki dan kambu goy cinde du gwamnati goyo cinde du pompion do gaddiyan cinde du lut korkwariyan goy Hessa Idrissa continue d'aider les filles qui souhaiteraient évoluer dans le domaine de la culture et dans les samarias à travers des séances de répétition et de composition de chansons de ballet au niveau de la maison des jeunes et de la culture de Tera. Babo Voilà, c'était le portrait de Haïssa Idrissa au micro de Moussa Boukari Kanda. Repartons en musique, cette fois-ci avec le titre Souvenir de Abdallah Umbadougou. c'était le titre Souvenir de Abdallah Umbadougou. on va passer au loti du jour qui parle aujourd'hui des fausses informations qui sont les fake news véhiculées parfois pour porter atteinte à l'honneur et à l'intégrité des victimes. Elles peuvent aussi avoir des conséquences. Oui, Fanta, c'est pourquoi aujourd'hui, dans la rubrique Loti, les femmes du studio Kalangu appellent à plus de prudence dans le partage des nouvelles véhiculées à travers les réseaux sociaux. Rekia Arimi et Samira Rouafi. Affairage, affairage, affairage, affairage. quoi Pourquoi tu cries mon nom comme ça Qu'est-ce qui t'arrive Regarde ce que je viens de recevoir dans un groupe sur WhatsApp. Le président du parti PFK Fetila est en train de distribuer de l'argent dans tous les villages environnants pour qu'on vote pour lui. Tu es sûr de ce que tu dis Qui t'a envoyé le message Toi aussi. Ce n'est pas important. Il l'a fait, non hum. Nous sommes du camp opposé. On partage au maximum. Attention, ma chérie. Si ce n'est pas vérifié, cela s'appelle de la fausse information. C'est aussi une diffamation. Si ce n'est pas vrai, pourquoi est-ce que c'est publié Mais pour les nuire. En tout cas, je te préviens que le partage des fake news comporte énormément de risques. Désormais, le chantage, la diffamation et autres infractions par voie électronique sont sanctionnées. Subhanallah. Ah oui, sache même qu'une loi a été adoptée au Niger en 2019 pour réprimer la cybercriminalité. Il s'agit de loi numéro 2019-33 du 3 juillet 2019. Cela veut dire que ces genres d'infractions sont sévèrement sanctionnées et peuvent aller de la confiscation du matériel de travail à l'interdiction de diffusion des messages électroniques sur les sites ou tout support électronique. Aussi, il peut y avoir des peines privative des libertés et des amendes. Comment Ma chérie, tout ce que tu dis là, ce n'est pas un peu exagéré Moi, je ne fais que lire et partager les informations chaudes. Hein. Hey, ma grande, méfie-toi, hein. Tu risques de te brûler un jour en partageant cette information sur le président de Fitila. Si jamais elle n'est pas vérifiée, tu portes atteinte à la dignité de cet homme. C'est quand même une diffamation. C'est très grave. Ah bon C'est vraiment sérieux ces histoires. Hein. Mais si c'est comme ça, vraiment ma chérie, je te dois toute ma gratitude pour m'avoir si bien éclairée. Hé Regina. <laughs> pas de quoi. Tu m'as même interrompu. Je n'ai pas fini de t'énumérer ce qu'est l'ordonnance sur la cybercriminalité. Hé, eh, ne finis pas ta phrase. Je t'écoute. Continue seulement. Si tu commets une infraction via un moyen de communication électronique, le juge va ordonner à titre complémentaire de publier à tes frais par extrait la décision sur le même support dans les 15 jours suivants de la date de la condamnation. Si tu ne les fais pas, tu seras condamné de 6 à 3 ans d'emprisonnement et une amende allant de 1 à 10 millions. Oui, oui, oui. Mais c'est compliqué d'utiliser les supports électroniques maintenant. Facilement, on peut nuire à une autre personne sans même le vouloir. Mais ceux qui le font exprès, en payant les frais alors, D'ailleurs, j'arrête d'utiliser WhatsApp. Je vais même désinstaller l'application. Ainsi, je serai plus tentée de publier quoi que ce soit. <laughs> non, arrête. Qu'est-ce que tu fais Tu n'as pas besoin de te couper du monde. Évite juste de partager n'importe quoi. Hmm, d'accord, je vais y veiller. <laughs> tu as vu, non Oublie ça. Viens voir cette vidéo. Ah, non, non, non, non. Hein. <laughs> non, non, non, non. J'espère que ce n'est pas pour nuire encore à une autre personne. Ah. Moi, j'ai eu ma leçon. Non, c'est la vidéo de mon anniversaire. Ah, <laughs> ok. Fais voir. Merci les filles pour ces conseils. Nous sommes maintenant avec Abdul Ali Niali pour le mot du jour en langue fulfulde. Bonjour Niali. Bonjour Ruki. Alors que nous apportons aujourd'hui Eh bien, comme c'est la rentrée, le 2 octobre 2023 en culture linguistique. Aujourd'hui, nous parlerons du COGES ou de CGDS. Le COGES ou le CGDS est un comité de gestion des établissements scolaires, un organe clé dans cette gestion. Il est une institution créée par l'État du Niger dans le milieu scolaire. Il se veut être un cadre de rencontre formelle et permanente entre les acteurs et partenaires de l'école. Un CGDS est constitué de trois représentants des associations des parents d'élèves, le directeur de l'école, un représentant du personnel enseignant, une représentante de l'association des mères éducatrices ou groupement féminin et un représentant de la coopérative des élèves. Ce bureau participe dans les préparatifs de la rentrée scolaire, la gestion du matériel et fournitures scolaires, la construction également des classes en paillote si nécessaire. Et tout cela pour la bonne marche de l'établissement et que les élèves étudient dans des conditions meilleures. En Fulfulde, comme d'habitude, Koges n'a bien un CGDS, fait de nos haujotone fil jangir et l'école ko watta duni fa hande jangirɗe ɗe enɗen keɓa yaadu yeeso nder gomnati leydi niger kan Yami ir fedde de endan singe jo'ine nder jangirde fuu Sarobe jangobe l'okol tato ardiɗo jangirde de Endan, debbo goto jeyaɗo e fedde inniraɓe cukaɓe jangoɓe tawte nder bureau kojes bureau o duni fa hannden golle muɗum woni hawjade siriyade nato lokkolgol enɗen ñiɓude kalasuji E Merci beaucoup Niali. <clears throat> Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous aimeriez avoir l'explication en anglais, en français, en zarma, en hausa ou en tamashek et aussi en fulfulde, n'hésitez pas à nous laisser un message écrit ou une note vocale au 82 89 89 64. Je répète, au 82 89 89 64. Nous allons à présent écouter les messages de nos auditeurs recueillis par Hawa Ousmane de la région de Dosso. sunana abu nasir gaskiya dai studio kalangu vraiment mu muna yaba aikinsu paske suna sensibilizan mutane sama ayyuka yau da kullum suna ba da kuma labari ko da yaushe gaskiya dai alhamdulillah ina gaida me ake ca mutanen duci surtout wa'anga ku la presse vraiment alhamdulillah mun gode kokarin da kuke nan gaba muna gaida ku sunana jamilu bon ni ra'ayi na aka gaskiya suna birge ni kwa suke yanayin kama yadda ake kawo labarai kuma da lang da yawa ana hasara abubuwa dama da in baka gane ta wani wajen ba an yi ta wani waje kana da to ni gaba ɗaya al'umma dogon dutse ina gaida kowa da kowa da wanda ya sani da wanda ban sani ba da na kusa da ni da na nesa da ni kowa yana ba shi dogon gaisuwa da fata alheri sunana abdullahi mai daji ma'aikacin wurin jihar del. Studio muna dan sauraron shirye-shiryen su. Ra'ayina shine shirye-shiryen nasu muna fatan su kara jirgin da shi. Su tun muna sauraron shirye-shiryen musamman matasa, saman eh, taimakawa mata. To mu ra'ayin surutu sama matasa muke son a dan kara shirye da shirye-shiryen. Su tun matasa mai Allah tun da mun gani yanzu matasa mai Allah masu ranar lalaca sun shiga wani harkoki wanda bai kamata ba. kenan ta hanyar radio muke son a samu shirye-shiryen da za a yi a sensibilizin su sutu matasa yalla kulma mun sun shiga shaye-shaye kenan shi ma a tarawar radio su ciwo kulangu muna son a samu wani shirye wanda za a yi wanda matasa za su gane bai kamata ba muna gaida duka ma'aikatan wani jihar del da sauran ma'aikatan mu da ke nan a yarka da sauran yan fada nan tare da mu to indiya fa mi ye aminu aminu ge te bi aliyo bi aliyo ali To joni ni mi hetto mi ha Kalangu Ibirgo ya min mi sada saurari sabon shirye-shiryen mu da zamu daura. Joni ni mi hinna duniya de gari jodu hinna nani, aye Allah be dana cutiri garni jam. Aye imen do jaha dogon dutsi men goni imen kinna lamido dogon dutsi Allah be dana me cutini jam. Aye wodi duniya de tan ladde amen dum kiyayo ga Allah zama duniya ndu wayle. Aye dum hota dede nono dum tir hottun dum hinna bakin makaftan dum anda no dum siwtori do leydi. C'est ici que prend fin l'émission Le Niger sur Kalangou d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. À la technique, c'était Adam Adowaki et Kadija Isaka et Mustafa Yuba à la régie.